tollul foo xam ne da nga naan ko xañ nañ lépp tey combat bi ñu jëm mooy delloo ko ay droit am mu mën a nekk candidat ci élection yi ñëw ci candidat wu lépp kon yaakaar naa ne lii tamit beneen privation la génnal waaye amatoo droit doon dara loolu dafay yomb loolu yaakaar naa ne réew mi moo war a passé koo bëgg a xañ liberté nga xañ ko liberté koo bëgg a jàpp jàpp ko ñaata yoon lañ fiy gis jamonoy Ablaye Wade ñi fi téye defal leen noolu ya xëy suba leen defu leen dara Latif Gueye gis nañ ko fi gis nañ fi protocole ba si Idriss Seck gis nañ fi keneen jàpp nit ba mu neex la nga bàyyi ko ñu ko deful bii nii nag grâce bi tey mbégte la dëgg la sant yàlla la ma ciy gërëm ñi ci sonn ñëpp ina àndal ak ñëpp wante bu ñu fàtte tamit ni combat quel est le prochain combat que vous comptez mener. le prochain combat c'est l'amnistie totale l'amnistie totale parce que je pense que tous ces droits ont été bafoués dès le début de son interpellation de son élection au poste de député à l'Assemblée nationale quand il s'agissait maintenant de la levée de l'immunité parlementaire on a vu ces dérives on a vu aussi comment la justice a été aux côtés de l'exécutif pour essayer au moins d'écarter Khalifa Sall aux élections présidentielles. Hmm. Maintenant que ces élections sont passées, il n'y a plus de risque. Et puis, il sort à partir d'une grâce. Donc, il n'a même plus le droit civique. Donc, je pense que nous allons nous battre parce que Khalifa doit être éligible. Le Sénégal a besoin de lui. Il doit pouvoir retrouver ses droits pour mieux servir le Sénégal. On va se battre pour qu'il retrouve ses droits. L'amnistie, n'est-ce pas L'amnistie pour lui et pour Karim c'est ce que nous demandons. N'est-ce pas là un combat, un, combat difficile à mener Non, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Macky dit qu'il n'est plus candidat. Mais pourquoi maintenant il doit ôter la possibilité à d'autres d'être candidat Il n'est plus candidat. Si, si vraiment il n'est plus candidat, il n'a qu'à laisser aux Sénégalais de choisir qui ils veulent. Moi, je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, je remercie encore Allah, mhm. n'est-ce pas, et tous les marabouts, tous les citoyens qui se sont, n'est-ce pas, investis pour leur libération. Mhm. Mais après Khalifa Sall, nous avions besoin aussi que Karim Wad retourne au Sénégal. Comme Khalifa Sall, il doit plus être amnistié. Alors, pour les prochaines élections, Macky Sall n'est plus candidat, qu'on laisse le peuple choisir qui ils veulent. Djeridjof, euh, maire Medina Bamba Fall nous ligne ñu wéyal waxtaan wi ak yéen Seydou Nourou am na keneen ku yegg si ma bàyyi la nga dalal ko. Zahra Iyane Thiam